nous sommes mardi 6 juin, fidèles auditeurs et auditrices. Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalongo. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires à la présentation Salamatou Kadri et je suis avec euh, Fanta Chamsou. La technique assurée par Amina Hassan et Adama Dawaki à l'édition. Bonjour Fanta, comment tu vas Je vais bien, Sali, et toi, comment tu vas Super bien. Qu'est-ce que nous avons au menu de cette édition Eh bien, attachez bien vos ceintures, chers auditeurs, car c'est parti pour toute une heure de programme. Au menu, vous aurez un flash d'infos du sport, du loti, de la culture linguistique et aussi de la bonne musique. Dans l'écho des régions, nous ferons un tour dans la région du fleuve Tilaberi. Pour l'entretien du jour, nous recevons Boubacar Suleiman Dibari. Il est virtuose de la calébasse. Il joue aussi à la guitare acoustique. Il chante et assure le cœur dans le groupe Mamar Kassé. Nous allons clore cette émission avec les messages de nos auditeurs. restés câblés. Chers auditeurs, nous commençons cette émission avec le flash d'information présenté par Nafisa Adamou Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Fanta, bonjour Salamatou. Bonjour Nafi, quelles sont les nouvelles ce matin Alors, le convoyage des pèlerins en Arabie Saoudite pour le Hajj a débuté hier. Le premier vol charter a déjà acheminé à Médine environ 9000 pèlerins. L'opération de convoyage des pèlerins se poursuit et prendra fin le 22 juin 2023 selon la commission à l'organisation du Hajj et de la Omra coho Pour rappel, cette année, c'est un quota de 15 891 pèlerins qui est octroyé au Niger.

Le Niger sera bientôt doté d'un hôpital militaire de référence. Un accord de financement relatif à cette réalisation a été signé cette semaine entre l'Allemagne et le Niger. Ce centre hospitalier militaire sera construit dans le camp Garba Hassan de Niamey. Il sera une référence non pas seulement pour le Niger, mais aussi pour toute la sous-région, a indiqué le ministre de la Défense nationale. Enfin, relativement à l'actualisation des textes juridiques régissant les domaines publics et privés de l'État, et les collectivités, un atelier a été organisé par le ministère de l'Agriculture ce lundi 5 juin. Les textes de cette réforme du foncier dataient depuis la colonisation, selon le conseiller technique du ministère de l'Agriculture. Et cet atelier vise à enrichir le rapport d'analyse, diagnostic et l'avant-projet de loi portant gestion des biens fonciers domaniaux. C'est la fin de ce flash. Merci bien, Nafisa et bonne journée à toi. Bonne journée. Chers auditeurs, dans la partie entretien de ce programme, ce matin, nous recevons Boubacar Suleiman Dibari. Il est virtuose de la calebasse. Il joue aussi à la guitare acoustique. Il chante et assure le chœur dans le groupe Mamar Mais avant Fanta, nous allons faire notre première balade en musique avec le morceau Mata du groupe Akazama de Doganduchi. La femme Endura une récompense.

shi yana taushi ga wani da kwafilan shi daidai da jiki ne ya sa su yana kumbura abokai na kallo ashe yaro ba mutum ba sai in ya girma a koya mishi tarbiyyar da ke zahar kuma kullum mata ku ne adon gida ku ne haske gida in ba mace ya zamo aikin maza ai mata na wurin maza har kuma kullum aikin yaro sa femme et son enfant, s'aime lui-même. Un jour, quand une femme se sent aimée par son mari, elle éprouve un sentiment de joie et de liberté. Quant aux enfants, ils se sentent en sécurité et peuvent s'épanouir complètement. za su sami mazamunin kwarai ashe yaro ba mutum ba sai in ya girma a koya mishi tarbiyyar da ke unwani ne ashe wasu mata suna cikin huma da banza ashe wasu mata suna cikin aikin Voilà, chers auditeurs, c'était Mata Adongida du célèbre orchestre Akazama de Douti, région de Dosso, créé en 1994. Comme beaucoup de ces binômes, il mêle des instruments traditionnels à des éléments modernes. Mais sa particularité réside dans le répertoire traditionnel qu'il explore à nouveau la musique de possession. La plupart de ses chansons sont dirigées par le violon traditionnel appelé Boudé, en langue moderne, un instrument très répandu dans le pays. Le groupe est aussi auteur de célèbres morceaux tels que Saraunia, Salamatu, Babban et bien d'autres que vous avez certainement écoutés. À présent, nous allons continuer avec l'entretien du jour. Notre invité, Boubacar Suleiman Dibari, il nous parle de sa passion pour ses instruments, la calébasse, la guitare et le Kuntigi. Moi, je m'appelle Boubacar Suleiman Maïga. Voilà, je suis euh, musicien. Euh, je fais partie de, la formation du groupe Mamar qui a été fondé euh, le 25 novembre 1995. Et à présent, il n'y a que Yakuba Moumouni et moi, plus anciens du groupe. Sinon, tout le reste avec lesquels on a commencé le groupe, certains sont, ne sont pas de, de, ce, de ce bas monde, certains sont restés aux États-Unis, d'autres ont, quitté le groupe. Voilà, donc il n'y a que Yakuba et moi. Je suis percussionniste, je joue de la calebasse dans la formation du groupe Marcassé et en même temps je fais les chœurs, autrement dit les refrains. Quand Yakuba chante, c'est moi qui le réponds. Euh, au sein du groupe Marcassé, c'est également moi qui écris toutes les chansons de Yakuba en langue et je les traduis en français. Voilà, donc si vous regardez sur les petits livrets de, de nos CD, vous allez voir euh, des petits résumés de, de, chaque chanson et les titres des chansons. Donc ça, ça, ça se fait par mois. Voilà, donc en dehors de la calebasse, je, je, joue la monocorde, je joue le violon, voilà, et la guitare folklorique. Pourquoi avoir choisi ce métier Je n'ai pas choisi ce métier. C'est vraiment un coup de hasard. <laughs> D'abord, moi je suis d'origine malienne. J'ai grandi au Mali. J'ai fait mes études au Mali. Il se trouve que dans le système éducatif malien, il y a la musique pendant les compositions, pour la musique, c'est chanter et le chant est noté. Et quand vous arrivez au collège, vous commencez l'écrit. Qu'est-ce que c'est que la musique Je pense que tous les collégiens maliens, quand tu leur demandes ce que c'est que la musique, la définition de la musique, ils te diront que la musique est l'art de combiner des sons d'une manière agréable à l'oreille. À l'approche des vacances, il y a des, des semaines interscolaires. Voilà, c'est pour juste vous dire comment je suis venu à la musique. Et moi, je, je suis d'abord... Euh, acteur de pièces théâtrales. Ensuite, je fus ballerin. J'ai dansé. Et après, j'ai appris d'un instrument traditionnel que nous appelons le kuntigi. C'est là que j'ai commencé à accompagner notre troupe scolaire. Alors, euh, avec ce petit instrument à une corde, la monocorde, que nous appelons en son rail le kuntigi. Je pensais que j'allais pouvoir continuer mes études, mais malheureusement, alors euh, la musique m'a attiré. <laughs> voilà, j'ai vécu à Gao au Mali pendant cinq ans à la direction régionale de la jeunesse, des sports, des arts, de la culture. J'ai eu aussi également la chance de participer à leur festival biannuel qu'ils appellent la Biennale en 1984, mais pas en tant qu'acteur de pièce théâtrale ou de, de danseur, mais d'instrumentiste. J'ai joué l'instrument, la monocorde, le kuntigi, voilà ce que j'ai joué dans leur ensemble instrumental. Et quand je suis resté à Gao pendant les cinq ans à la direction régionale, je suis quand même nommé directeur artistique de l'ensemble instrumental régional de Gao. Donc c'est comme ça que je suis venu à la, à la musique. Comment vous vous procurez les matériels D'abord, moi je suis très traditionnel. Je fais de la musique traditionnelle. Tous les instruments que je joue, c'est des instruments traditionnels. Parce que je joue le godier, je joue le kuntigi et je joue la calebasse. Et tous ces instruments-là, c'est des instruments vraiment traditionnels. C'est des instruments confectionnés ici même. Bon, c'est vrai que je n'en confectionne pas, mais j'ai déjà des gens, des luthiers, s'il faut les appeler comme ça, des luthiers qui me confectionnent ces instruments traditionnels, autrement dit le kuntigi et, le gaudier. La calebasse, ça s'achète sur le marché. Et pour la guitare, la guitare, c'est un instrument, on dira que c'est un instrument moderne, mais tout ce que je joue sur la guitare, c'est vraiment folklorique, c'est traditionnel, donc c'est de chez moi. Donc c'est pourquoi je vous dis que je suis vraiment très traditionnel. Chers auditeurs, faisons un deuxième tour en musique avec le titre Kakatare de la troupe musicale Tasco de l'Aïr. auditeurs, c'était le titre Kakateré de la troupe musicale Tasco, un groupe de chanteurs et musiciens originaires d'Agadez, auteur de la célèbre chanson Gajéré. Le groupe a vu le jour en 1960. Ils ont à actif deux opus et près d'une centaine de morceaux dans leur répertoire qui parlent d'unité, développement et la paix. Il faut le dire aussi, ce groupe a été au moins cinq fois lauréat lors des concours nationaux et a même remporté le deuxième prix musical de la scène centre. Chers auditeurs, c'était là le groupe Tasco de l'AIR. Nous poursuivons notre deuxième partie de l'entretien dans le monde de la calébasse. Vous pensez que ce métier nourrit son homme Moi, je vous dirais que oui. Oui, c'est un métier qui nourrit vraiment son homme. Parce que quel qu'en soit le métier, si vous ne l'accordez pas de l'importance, il ne va pas vous nourrir, ça c'est sûr. Donc la, la musique, si vous, vous l'accordez une certaine importance, vous vous donnez à elle, elle peut vous nourrir. Moi, la bonne preuve en est que c'est grâce à la musique que je me suis marié. J'ai deux femmes, j'ai sept gosses et, euh, et tous mes enfants partent à l'école. J'en ai deux déjà qui font l'université. Donc moi, je vous dirais que la musique nourrit son homme. Et je loge chez moi. C'est vrai que j'ai ma parcelle je ne l'ai pas construite en matériaux euh, définitifs. Je, vis sous un hangar, mais quand même, c'est chez moi, c'est dans ma parcelle. Donc, j'arrive à subvenir aux besoins de mes dames, à subvenir aux besoins de mes enfants. Donc euh, je ne vois pas pourquoi je, je, vous dirais que ce métier ne nourrit pas son homme. Et à travers ce métier, j'ai voyagé vraiment de par le monde. J'ai fait deux fois les États-Unis, j'ai fait trois fois le Canada, une fois le Mexique, une fois le Brésil, pour ne vous citer que ceci. Et pour ce qui est de l'Europe, par exemple la France, la Belgique, les Pays-Bas, euh, l'Allemagne, ça je ne, ne, sais même pas le nombre de fois que j'ai fait ça. Et tout ça c'est grâce vraiment, c'est grâce à la musique. Voilà, donc la musique elle nourrit vraiment son nom. Il suffit de savoir comment s'y prendre, comment t'organiser. Et quel qu'en soit le travail, quel qu'en soit le travail, je dis bien, s'il vous manque d'organisation, le travail ne, ne, vous nourrira pas. Mais si vous vous organisez, vraiment, ça va vous nourrir. Est-ce que ce métier a de l'avenir au Niger le terrain musical est très difficile, très très très difficile. Je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas de l'avenir, tout dépend de comment vous allez vous organiser à assurer l'avenir. Parce que c'est ce qui est sûr, si on vit longtemps, on ne peut pas passer toute sa vie à faire de la musique. Il arrivera des moments où euh, physiquement on n'est pas très fort pour faire de la musique. Donc euh, si tu es bien organisé, alors tu prépares tout ça. Donc pour ce qui est de l'avenir du côté musique au Niger, vraiment c'est difficile. Le terrain musical euh, nigérien est très difficile parce qu'au Niger, tant que tu ne joues pas dans les cérémonies de mariage ou dans les cérémonies de baptême, ou bien dans les bars, alors euh, je, vous dis qu'il est, serait très difficile de vivre de ta musique parce que c'est quelques rares fois qu'on est invité pour des soirées de gala. Donc euh, si moi je dis que la musique nourrit ce nom, c'est pas par rapport à ce que nous vivons au Niger, mais c'est parce que nous faisons de la musique, euh, de la world music, la musique qui est écoutée plus ailleurs et qu'au Niger. Mais vraiment dans le contexte nigérien, dans le le folklore nigérien, que ça soit contre en Australie, aux États-Unis ou au Mexique, quand tu entends notre musique, directement, si tu connais le Niger, si tu es nigérien, tu vas penser au pays. Donc c'est une musique de ce genre que nous, nous faisons. Mais notre musique, elle n'est pas très dansante, elle est plus bonne à l'écoute. Voilà pourquoi on ne peut pas la jouer dans les cérémonies de mariage, baptême euh, et euh, dans les bars. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalango. Le Niger sur Kalango est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalango. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de notre rubrique hebdo et nous allons parler de santé. Bien sûr, Sally. Aujourd'hui, nous allons parler de la varicelle. Et eh oui, Fanta, la varicelle qui est une maladie extrêmement contagieuse qui touche le plus souvent les enfants. Pour plus d'informations sur le, sujet, nous vous proposons d'écouter le médecin généraliste Rachid Issaka au micro de Habiba Ahmed. La varicelle correspond à la primo infection du virus varicelle zona. Le premier contact avec le virus varicelle zona, donc le patient développe la varicelle. Donc les tranches d'âge les plus atteintes par la varicelle, eh, c'est les enfants de 1 à 12 ans. Donc ils sont particulièrement touchés. Il est très rare que l'enfant de moins de 6 mois contracte la varicelle. Donc c'est une maladie qui dure en moyenne 7 à 10 jours. Donc les lésions disparaissent complètement après deux semaines. Quels en sont les signes Après contact avec la varicelle, donc il s'écoule environ deux semaines en moyenne avant l'apparition des premiers signes. Après cette euh, période d'incubation de 14 jours en moyenne, donc euh, survient la phase d'invasion. C'est une phase qui peut être discrète Bref, donc elle est marquée souvent par un fébricule et un malaise général. Donc après surviendra la phase caractéristique même de la maladie qui est la phase d'état. Donc cette phase est caractérisée par plusieurs aspects. Tout d'abord, il y a l'atteinte de la peau donc euh, qui est caractérisée par une éruption, c'est des petites taches rosées donc cette éruption a une chronologie caractéristique à la varicelle. Donc elle débute d'abord sur le tronc, puis atteint le cuir chevelu du patient avant de s'étendre aux membres et au visage. Donc euh, en respectant habituellement la paume des mains et la plante des pieds. Donc euh, il y a aussi l'atteinte des muqueuses. Donc euh, l'atteinte des muqueuses buccales et vulvaires peut être précoce et elles seront caractérisées par des érosions arrondies. Donc maintenant plus tard, après 24 à 48 heures, donc le liquide contenu dans ces vésicules va devenir trouble et desséché ben, dans les trois jours. Donc là, il se forme une croûte qui se détache en une semaine, laissant une mancule dépigmentée. Parfois même, une cicatrice peut être laissée. Cette cicatrice, elle peut gratter. Comment la contracter La contamination de la varicelle se fait par contact avec les produits de sécrétion et des voies aériennes. Donc en cas d'éternuement ou bien de contact avec la salive d'une personne atteinte, ou bien lorsque la vésicule se perce une autre personne pas atteinte rentre en contact avec ce liquide. Et la personne peut aussi être contaminée. Existe-t-il un vaccin contre cette maladie Oui, un vaccin est disponible pour la varicelle. Donc en France, ce vaccin a été mis sur le marché depuis 2004. Le schéma, c'est une vaccination constituée de deux injections à un mois d'intervalle. Il y a des contre-indications pour cette euh, vaccination, à savoir chez les femmes enceintes ou bien chez les sujets ayant un système immunitaire défaillant. Peut-on acquérir une immunité face à la varicelle Peuvent être considérés protégés contre la varicelle. Donc toute personne ayant une histoire antérieure de varicelle à partir de 1 an ou de zona quel que soit son âge. Donc ces personnes peuvent être considérées comme des personnes immunisées contre la varicelle. Quelles sont les complications de cette maladie D'abord, nous avons des complications d'ordre local, donc des complications à type de surinfection. Donc en cas de grattage, donc les cicatrices permanentes peuvent être laissées. il y a aussi des complications d'ordre neurologique, donc à type de convulsion et d'ataxie et de problèmes d'équilibre et à type de méningite aussi. L'isolement est nécessaire si le patient fréquente une collectivité et de personnes à risque. Il faut préconiser une éviction scolaire, donc prescrire à l'enfant donc un congé et donc jusqu'à la guérison pour qu'il ne contamine pas les autres enfants de sa classe. Donc cette éviction scolaire, euh, elle doit durer jusqu'à l'assèchement des vésicules. Chers auditeurs, maintenant je vous propose un autre titre à nos auditeurs. Il s'agit de Jaoubouda de l'artiste Batuberi. célèbre chanson du tiroir par l'artiste Botouberi. De son vrai nom, Fatih Isaka, c'est en 2005 qu'elle commence sa carrière musicale. Aujourd'hui, elle chante et danse avec la même énergie qu'à ses débuts. Elle donne le meilleur d'elle-même sur scène afin de faire partager à ses fans sa voix et ses pas de danse inspirés du Bitihare, la danse populaire du Zermaganda. Alors Fanta, cap sur Tilaberi, plus précisément de la commune rurale de Tondukiwindi, située au nord de la région de Tilaberi, dans le département de Walam, avec une population estimée à plus de 140 000 habitants, selon le maire de la dite commune. Cette partie du Niger est confrontée à un problème sécuritaire depuis plusieurs années déjà. Et c'est pour sécuriser les communautés qu'un accord de paix a été signé le dimanche 4 juin dernier en présence des autorités dont le ministre de l'Intérieur. Les détails dans ce reportage de notre envoyé spécial Adama Dawaki, rendu au studio par Habib Garba. bore kayan gona ga bafuna labo gyargyar wadirra hankan nan ima tangam da alakaltuna miso wadin senoi na dake wa tirga alado ando cha cagir zambar hinkanda waranka cin zao mantikala nodin ton cin kwara bore kulken gona ga bafunai kamba kamba e kulunga ino na kamba dake tirga ina zajen da samu mo kan dirko ba bor kulkan ga ngai gona sik wol mo kulkan ce ciga tere te kan si fondo ngai ga bora kalima san kai wo kan dir sambu wala maga bor kulkan san kai tunangi irin bai yami yamu zamani jebda kani bani irno kani bani da foi bani irin men da men no foi bani ya dinga san kai wo bor kul kani tunandi ir ko subhanahu wa ta'ala mi labo al hakabara al umri kullu in al kawl sambu kense kan hundu na banda tan kukan te ga bisa in kari yafa yafa kense kukan te ga bisa mayaci umar tahiru no dini alhamdulillah bonkono kanka niger bonko na ikunda gin maga agona ga hano kwar ga be kulma haudan yadin mono im kang sinji ga rugu goida sanka yau kayan ga sambu in ilmu kair bonga gun ware lakkal kana mu illa bora mu fargir bongere zam gwamnati tera akwai bilma asinga bora kundon warimi hankango sirse yani ga lakal kane sino irsinga koy feri goye site asilamu kul kankane dana ye fu wo margu ko ko ara bora margu il koy makandi se lakal kane la bora il man ka jandi kayan il kano zama ine buko ma dori nda bora kango go barai ifo tani soje ne iri zenu ir kai ne no igogi dibone wati kuli go wayna raga kai mai no goga te ir no goga te kai te fai fai borai sigi ker gana hasaro bambato no yadin ga dir go sigi ker matkan don bore ni ker il mu ko kala kalkana din maka da sin hay kusite il ay tilbe rejin o bonko ne il ga gindi dangaranga darin yefu arm arm mo sokon fon fon lankara de ministro kanga goida ala bogun kuna kina da musulle inga mo aka margane ne do kanga in kamba da kitira ga agona ga hamo ko arabora kulga be kuluma kaningu wani kokaro borai maso ga hagre kangana lakkal kana ga ka koenen da himma no dini kwarara da ba nijar kura wadi mono agoni ga ha kwara ga mo bora kulu imate nya fo da babu fo imte donu bon follan gana dai lakkal kana amadumi wadi na wajib gwamnati gano dole no gwamnati mu kai gidi zarmu ganda mu yegi china zamborai tabi irgin ware ko hannaga amma lakkal kana tabbatan il futay kango warra warman himando warmi tugu zamu wat fa ir wanal halu bumbono subori borgo gedi bankan goga hate kan sigi bori mane a ay sikki walla yoy may zono bora dindumo kan fonde yama dindumo sambu bo tare sineme koyne ga niga cegi yamarno hala wongo gena ma fanda mo koy mi ci ima kagadi wallahi wallahi asindum se zunubu Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons le rendez-vous du Niger sur Kalangu avec la page sport présentée par Adam Sario, Adam, maintenant. Ça va, bonjour. Bonjour Adam. Bonjour Fanta. Alors nous allons parler de football. La Fédération nigérienne de cette discipline a organisé ce week-end à Niamey une formation à l'intention d'une trentaine de journalistes sportifs, photographes et opérateurs de prise de vue. C'est un renforcement de capacité qui porte sur les opérations médias et systèmes d'accréditation de la Confédération africaine de football. Slimane Mohamed, président de la commission communication et marketing de la FENIFOOT, explique avec plus de détails des propos recueillis par notre collègue Salamot Kadiri. La nécessité de faire cette formation s'est imposée puisque nous avons remarqué que souvent sur le plan international, quand il y a des compétitions auxquelles le MENA participe, nos journalistes ont toutes les difficultés du monde à s'accréditer. Vous savez, euh, l'accréditation est très très importante parce que c'est le sésame qui permet à l'homme de médias de participer aux événements, de couvrir les événements et de rapporter fidèlement ce qu'il voit sur le terrain à ses auditeurs, à ses téléspectateurs ou à ses lecteurs. Donc c'est un sésame qui est très très important, mais seulement on n'y accède pas sans respecter un certain nombre de conditions, notamment l'accréditation en ligne en temps et en heure dans une période bien déterminée où là aussi on vous demande un certain nombre de documents, notamment la carte professionnelle de presse, copie d'identité et passeport ou carte d'identité. Donc nous nous sommes dit, il faut qu'on regroupe les journalistes, qu'on leur montre l'importance de s'accréditer et les différentes exigences qu'il y a de plus en plus autour de tout ce qui est organisation et sécurité des manifestations. Adam, Adam hier en demi-finale, retour de la Coupe nationale. L'AS Douane a battu l'équipe de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Le score final de cette rencontre était de 1 but à 0. L'AS Douane va rencontrer l'AS GNN en finale le 10 juin prochain au stade général Sénécounte de Niamey. Et sur le continent, on connaît également le vainqueur de la Coupe des Confédérations africaines. Oui, la finale a opposé les Young Africans de la Tanzanie contre l'ISM d'Alger. C'est l'Union sportive de la Médina d'Algérie qui a remporté la Coupe et devint la première équipe algérienne à remporter ce trophée. C'est la fin de cette chronique. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci Adam. Merci Adam. À présent, passons au portrait. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Maimouna Nouhou, une enseignante qui a travaillé bénévolement pendant plusieurs années à Niamey. Elle est veuve depuis environ 25 ans et élève seule ses enfants. Aujourd'hui, elle s'est dit satisfaite de la vie qu'elle mène après des années de souffrance. Oumarou s'est entretenu avec elle. On écoute. Je suis une veuve depuis 1999 que mon mari est décédé. Donc je suis avec mes enfants. J'ai trois enfants, et un garçon et deux filles. Et j'ai fait dix ans dans la paillote. Et avec tout ça, je ne me suis pas découragée. des fois je fais la case, des fois je fais la hanga. Je suis là. Chaque fois, si le propriétaire me dit, il me chasse, je cherche un autre terrain vide pour construire en quoi Je reste jusqu'à, j'ai eu mon parcelle. Dix ans de souffrance dans les hangars ou bien casse-là. J'ai pris ma patience jusqu'à maintenant avec mes enfants. Je remercie Dieu maintenant aujourd'hui parce que Dieu est prêt pour me faire quitter de la paillotte. Et j'ai commencé à enseigner à l'école de Village Turboulani et sans payer, donc gratuitement. Je fais trois ans là-bas. J'ai quitté pour venir à l'école Loussa aussi. Et donc euh, là, je suis payé et j'ai fait trois ans. Et après, je suis revenu aussi à l'école École quare Je fais un an avec euh, Germa Tradu. J'ai quitté et pour aller à l'école Hamadia 1 et là-bas, j'ai fait 9 ans. Maintenant, actuellement, vous enseignez où Actuellement, j'enseigne dans une école privée à Hamadia 1 de C'est bon pour moi parce que qui cherche trouve. Je me suis débrouillée et j'ai gardé mon sang-froid pour travailler et je travaille avec dignité pour avoir le fruit de mon travail. Je remercie Dieu aussi d'avoir une parcelle construite. Donc, je me suis débrouillée. Donc, je me suis débrouillée comme un homme. Maintenant, dans votre travail que vous faisiez là, mhm. Quelles sont les difficultés Il n'y a pas de difficultés, on travaille bien. Donc moi, je tiens la classe du CI et je maîtrise bien les enfants. Donc les enfants sont bien avec moi quand tu regardes les cahiers de devoirs. Les enfants écrivent bien et ils font mathématiques aussi. Quel est votre objectif Moi, je vais travailler, travailler bien avec les enfants, mm. Et les enfants réussissent. Parce qu'actuellement, là où je suis, il y a des mes élèves qui sont jusqu'à un troisième qui, cette année, ils vont avoir leur brevet. Il y a même des brevetés. travail que vous est-ce que vous avez bénéficié dedans J'ai bénéficié. Parce que quelqu'un qui achète parcelle, c'est déjà bon. Et il a construit. Donc c'est déjà bon pour son travail. Qu'est-ce qu'il cherche Je ne pas aller à la Mecque, c'est ça qui reste. Quel appel avez-vous envers les femmes En cas qu'à se débrouiller, En n'ont qu'à continuer à mettre l'effort pour travailler. Parce que qui cherche trouve et qui travaille au soleil aussi mangera à l'ombre. Merci Oumou pour ce portrait. Reportant en musique, chers auditeurs, avec Yacoub Moumouni Denk Denke. Le titre c'est Dadaï Oumé. On kiffe et on revient. man, man. Denk Denk. titre, je le dédie à tous mes cousins de la capitale. Bien, Sali, passons à présent au loti qui nous parle d'une tradition nigérienne. En effet, certaines personnes évitent de prononcer le prénom du bébé avant le baptême, qui est généralement célébré au septième jour qui suit la naissance. Écoutons cette discussion entre Rekia Arimi et Samira Roafi. Matsukiji, Maso Kiji, Matsukiji, ji Hey! Kiji. salama akwai mutum a gidan nan. Wa alaikum salam Ke gora ke ce shigo mana. Gaskiya akwai zahi yau. Gora ya kike? Lafiya talo. Kamar yadda kika sani ne. Na gode Allah. To, ke kuma me ya fito da ke cikin wannan ranar? Na wuto daga gidan ƙawannan nan Tawwa Laila. Aihuwa ta yi jiya kin san. Kenan na ta yi daina ne da mata barka. Ah, masha Allah, wannan labari mai daɗi. To ai dai kin san dai wannan dai ba ya sa ba dai ki hito rana kirkirin ga ki je ki mata barka ba kya bari ba sai da marece wallahi kina da gaskiya amma kin sani yau ɗaya ne nake da dama sai na ce bari dai in ta in hidda bisa kaina mm, kina da gaskiya to me kika samo mini gora babu wani labari amma kin san ko me me gaya mini bani nan ga gane yaran zamanin nan ban gane ba me kike nufin cewa gaya mun dan in gane ki. Kin ganda da muke yara. Sai bayan biki muke fara kiran sunan yaro. Kenan kwana bakwai bayan aihuwar shi. Amma yanzu tun ranar da an ka aihu aka fara kiran sunan yaro kuma har ma wai a gusa ranar biki a kai ta har gaba. To ke yanzu kina ganin hakan bai dace ba? E mana a gani na mutane ya kamata su bi galgajiya da al'adunmu kuma da sharuɗan addini. To hakan ba daidai ba ne. Kina gama addini da kuma al'adu. Ban gane ba, ba addini ne bai ce ka a kira sunan yaro sai ranar bikin shi kuma a girmama ranar da an ka aihu kamar sai bayan kwana bakwan nan tak a yi suna. A'a, shi yasa na ce miki kina gama addini da galgajiya. Kin san da ko shekaran jiya nan mun yi hira tare da wani malami bisa kan wannan zancen. To ku tamta mini me ce? A cikin addinin mu ana iya kiran yaro tun ranar da aka aihe shi kuma ana iya gusar da ranar suna. Sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ta ce da ana iya yin biki ranar bakwai bayan aihuwa babu wani hadisi ko kuma aya da yake hana gusar da ranar, biki wani bi akan samun mutum bayya da kuɗi na sayan rago kuma kin san da an ce a cikin Kur'ani Allah bai ya dora ma bawansa nauyin da bai iyawa kenan kin gani gusar da ranar biki ba wani laihi ba ne har lokacin da ka samu kuɗin da za ka sayi ragonka. Ah, yanzu na gane da kyawu. Kenan duk wanga lokaci muna nan ga kuskure babba. To, kin gani dai kahin addini ya zo muna amfani ne da al'adu da gargajiya. To tun lokacin muna nan muna yin wasu abubuwa wanda ba mu ƙoƙari mu nemi sani don saboda bambanta wasu al'amurra. To kin gani yau inda na zauna a gida ba ni samun in fayyace wanga abu duka ke gandan shi ne yake da muhimmanci kai dan yawo <laughs> na gode miki gaskiya da kika waye min kai bisa kan wanga abu ba matsala abin da zan iya yi kenan gora to madalla ke gan magaice ya fara yi zan tahiya zan barin ki to bari in raka ki chers auditeurs, c'était le loti proposé par le desk femme du studio Kalangu. Et à présent, pour rester dans l'actualité, dans notre partie culture linguistique, aujourd'hui nous allons vous expliquer ce que la Grande Muraille Verte. Un forum sur le projet se tient actuellement à Niamey et il est important de comprendre de quoi il s'agit. Gungu Maman Anthony est avec nous pour nous l'expliquer. Bonjour Gungu. Bonjour Fanta, bonjour. Euh, à tous. Alors donc, euh, la Grande Muraille verte, euh, c'est un des vastes programmes africains créés en 2005 pour contrer l'avancée du désert dans la zone du Sahara et du Sahel. Il regroupe le Burkina Faso, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et le Tchad. Comme les gens l'imaginent, le projet de la Grande Muraille verte ne consiste pas seulement à planter des arbres. Il y a également des actions de mobilisation des eaux, que ce soit les eaux de pluie ou souterraines. En gros, c'est faire une sorte, en sorte que les zones désertiques servent de zones de production aux communautés et combattre la désertification l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Bien sûr, au Niger, la muraille traverse huit de nos régions et couvre 228 communes sur les 266 que compte le pays. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce projet de la Grande Muraille verte à travers les différentes actions peut transformer les vies de millions de personnes. Si vous le permettez, je m'en vais raconter ce que je viens de dire en Hausa. Donc, euh, Grande Muraille Verte. Toshide shi dai ana bongo da Hausa, Muraille Verte kenan. Yana ɗaya daga manyan-manyan tsarurrukan jaddawalin ayyukan Afirka. An girka shi a shekara 2005 domin kare gurgusar hamada cikin yankin Sahara da na ya kumshi ƙasashen burkina faso djibouti eritrea ethiopia mali mauritania niger nigeria senegal sudan da chadi kamar yadda mutane ke tunani wani bin tsarin babban koren bango ba wai shuka itace ba ne kadai, akwai ayyukan tattara albarkatu na ruwa ya zan na damana ko na ƙarƙashin ƙasa a shimilce dai shine wato a mayar da karkarun da ke da fuskar hamada su kasance sun zamanto karkarun da al'ummomin za su iya noma kuma su karya lagon hamada kawar da rashin cimaka da kuma talauci a ƙasar niger bangon zai ratsa jihohi takwas kuma zai shafi kwamin 228 cikin 266 da ƙasar ta kumsa To amma a nan abin riƙewa ga wannan furojen na babban koren bango ta kan ayyukan da za a girka shi ne zai iya sauya rayuwar miliyoyin mutane. Na gode. Mon gode, ma tonton, merci beaucoup. Chers auditeurs, auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en germain, en Tamashek ou en fufulde n'hésitez pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Je répète, au 82 89 89 64. Fanta, il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. Je m'appelle Idriss Abdou je suis directeur départemental de l'éducation nationale de Tilabéri. Les programmes du studio Kalangu sont vraiment géniaux. Vraiment, c'est fantastique parce que Kalangu, c'est la radio, si vous voulez, des sans-voix. Donc c'est la radio de la communauté, parce qu'ils sont avec la communauté. Et aujourd'hui, grâce à Kalangu, je vais m'exprimer pour dire concrètement ce qu'on a fait cette année, les travaux qu'on a eu à faire, les difficultés qu'on a eues, la solution qu'on a trouvée. Donc vraiment, Kalangu, c'est une radio de la communauté. Et vraiment, je remercie Kalangu. Assalamu alaikum. to da farko ni sunana madam suleiman ramatu mama aljari ni mabuciya ce ta kallon studio kalangu studio kalon gaskiya babu abinda za mu ce mishi sai godiya muna fata allah kara kama musu saboda suna ba mu ƙwarin gwiwa kuma suna ba mu gudunmuwa balantana ba su kan mata mu mata suna waye mana kai muna koyan abubuwa da yawa tare da su saboda yau mata mu ne ke rayuwa kenan aka waye mana kai muka san wani abubuwa ko komi yana iya tafiya yadda ya kamata so studio kalangu suna ba mu wannan gudunmuwai gaskiya babu abin da za mu ci musu Allah kama musu salamu alaikum ni na mai samari baban hinda na garin yaya kasar kwani kwamenken alela lalle muna sauraron radio kalangu kowane lokaci da duk an ga ce karfe biyar yayi na marice to insha Allah mun kama sauraron ta saboda jin daɗin bayanan da take muna waɗanda ga ƙara rayuwar mutum tana yi da faransai hausa zabarmanci buzanci hulantanci bayani daban-daban kuma waɗanda kowa zai amfani da su kowace kabila kake kana jin harshen ku ciki sai ka ji labarin duka abin da kake so abin da ƙara ka sai ka samu cikin radio kalangu muna gaishe gaishe duka ga abokan hulɗa da sada zumunci na farko muna gaida da haruna mamman bako a nan gidan radioniya Voilà, chers auditeurs, avant de se dire au revoir, faisons un autre tour en musique, cette fois-ci avec Aurum Bouzois de l'artiste Abdul Salam. in tana da kyawanta suna yan gari suka samu na so su bani aura na san ba su bani na so su bani aura na san ba su bani bani da ragumi da kala bani da turkuki gwanin sana bani da ragumi da kala bani da turkuki gwanin sana rannan baki din tige din ma balle irawa su aura kenan ba haba amarya haba amarya bayan zo kidan sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Salamatou Kadri et Fanta Chamsou. Le rendez-vous est pour demain avec un autre numéro. Excellente journée à vous, Fanta. Bye bye. Bye bye, Sally.